Et surtout un, physique commun. C'est pas un monstre, c'est pas un Golgoth, c'est un physique commun. Mais une vitesse assez folle. Quand oh là là, de la dynamite dans les jambes. est déjà à 10 points, ouais, Laraki. Christophe Ford, un petit peu long, le rebond bien assuré par El Kazé. C'est pour ça qu'on l'a ramené sur le parquet. Bon autoritaire là le Kazé. Allez, Sagamba qui annonce le système. Regardez ces duels. Karas Layani hein, qui a fait son retour également. Le shoot de Jermaine Cole manqué. Araki au rebond. Regardez, regardez sa vitesse. Et On a renversé ça circule énormément. Qu'est-ce que, ça, fait courir, effectivement Ah oui, ça, ça vous épuise une défense, hein. aussi bonne soit-elle. Il y aura une faute, c'est une épuise une défense, mais ça nous épuise nous aussi parce que les, yeux, à, euh, après le match, on sera fatigué. C'est de la bonne fatigue, ne vous inquiétez pas. Et c'est la quatrième, non, c'est la quatrième de, gauche Eh oui, eh oui, eh oui. Ça, c'est une très Il est totalement à côté de son match aujourd'hui. Eh c'est Dolly qui va faire ses premières minutes là dans ce match. évident de rentrer à froid comme ça dans un match aussi, intense. Mais qui sait, le salut pourrait peut-être venir de lui. Ah, il est déçu. Il est déçu là sur le bord de la touche. Wamukota. Ndoli fait son apparition sur le parquet pour ses premières minutes dans ce match, mais aussi dans la compétition, Malik. Ce sont ses toutes premières minutes. Ndoli, un jeune joueur, sur son numéro 24. Cédar Sagamba va être arrêté par un coup de sifflet. Et il y aura une poussée qui vont occasionner de lancer franc. À 3 secondes de la fin de ce troisième carton. Faut se calmer, Sur le fond, je suis d'accord avec lui. Oui, oui, avec la main gauche, il y a une faute. Eh, le coach tunisien qui essaie de calmer sa troupe. On est devant, c'est pas à nous de s'énerver. Faut se calmer. Pour l'instant, l'US Monastirienne gère bien son avance. Et c'est placer des petits coups d'accélérateur hein, quand les Patriotes semblent revenir. C'est ça. 10 points d'écart, deux secondes sur la possession, sur la troisième carton. On va en rester là. 68-58. Rien n'est fait, Malik, mais Monastir semble quand même un dessus Ils ont repris les commandes du eh ben, match. Ben, Cédina, à la fin de ce troisième carton, malheureusement, le club du Patriot Basketball Club est retombé dans ses petits défauts. Euh, la marque 68-58 pour cette équipe de Monastir qui a repris le contrôle du match. On peut voir beaucoup de déchets dans le jeu des Patriotes, des mauvaises passes, euh, euh, mauvais repli défensif. En tout cas, des mauvais passages en attaque, en défense. ça, ça a été mémorable. Et comme je le disais tout à l'heure, le troisième carton peut déterminer le temps de ce match, Céline. Oui, et pourtant, l'entraîneur a semblé sur euh, ce troisième carton-là, prendre l'option que tu avais soulignée, c'est-à-dire avec des joueurs beaucoup plus mobiles, beaucoup plus rapides, euh, afin de contrer les rotations. Ils ont certes obligé cette équipe de Monastir à être beaucoup plus rapide sur les tirs notamment, parce qu'ils prennent des tirs beaucoup plus rapidement. Mais comme tu l'as dit, il y a des passages en but, surtout en attaque, parce qu'ils sont, ils sont parvenus à plusieurs reprises à faire des stops, mais derrière, ils n'ont pas rentabilisé en attaque et fait qu'à la fin de ce troisième carton-là, malgré ses efforts ils sont toujours derrière et on peut larguer quand même. Tout à fait. De toutes les manières, si tu as pu le constater, il a quand même redémarré l'erreur qu'il a faite, à mon avis, il a redémarré ce troisième carton avec le 5 d'entrée, au lieu de continuer avec le 5 qui avait terminé le deuxième carton, qui avait une dynamique. Il a remis Costner encore dans le match ils ont pris de l'eau et puis ensuite, maintenant, il est parti dans l'option avec des joueurs beaucoup plus petits euh, en diminuant la taille. Et c'était trop tard parce qu'il joue avec IB et Bush en même temps, deux grands, pendant que l'équipe de Monastir ne joue avec aucun pivot. Ce sont que des power forward et des ailiers de 2 mètres. Donc en fait, c'est juste par la taille. Ils auraient pu faire de même euh, euh, et, ils auraient pu euh, être capables de, de, de, contrecarrer. Et je pense que Cole n'est pas au niveau de ce match-là et il joue trop longtemps. À mon avis, ça c'est un point de vue. Je peux me tromper, mais en tout cas, on espère que ce dernier carton va leur permettre de réagir et pouvoir recoller avec cette équipe de Monastir. Oui, je te le soulignais lors du, du, premier carton, J'ai Je te disais qu'il avait un temps déjà assez consistant par rapport à son parce que pas un jour c'est c'est un rappeur de haut niveau, certes, mais pas un joueur de basketball de haut niveau. Donc, le mettre aussi longtemps dans ce match, moi, déjà, dans le premier quart temps, en le voyant jouer tous les 4 minutes, c'était déjà assez bizarre pour moi. Et comme tu viens de l'indiquer, il le laisse encore sur le terrain, alors que son apport dans le jeu est assez relatif. Tout à euh, fait. pour ne pas dire assez trop conséquent. Tout à fait. En tout cas, on va voir euh, ce quatrième carton et puis on va essayer d'analyser du mieux qu'on euh, peut. En tout cas, en retour au direct fort, à 3 points. Pourquoi pas Manquer Layani encore une fois. Il fait tout, Layani. Précieux. Précieux Layani. Firas Layani. Arakji va y aller tout seul, 3 secondes face à Cédar Sagamba, la main gauche de Well Arakji qui est injouable aujourd'hui. C'est un artiste c'est un artiste, Wahel Aragji. C'est un artiste ou un magicien Ouais, c'est les deux. les magiciens, c'est les artistes, vous savez. J'ajoute ça à son CV. <laughs> Cagé. on est obligé de rappeler les, les patrons. Les tauliers. Côté Patriotes, Principe, Kelly Gassana, Brandon Costner, on va renvoyer sur le banc. Ndoli, Eli Kagé, J. Cole. Ah, je suis d'accord avec le coach rwandais. Je suis d'accord avec le coach aussi. Ils ont besoin de mettre un peu de folie dans ce match, besoin d'aller agresser un peu les Tunisiens. C'est simple, tout simplement le 5 majeur côté Patriots qui est de retour. Brandon Costner face à Layani. Il écarte parfaitement sur Sagamba. Superbe shoot de Cédar Sagamba. Très bonne fixation C'est la part de Brendan Costner. Euh, ballon perdu là par Emma Brook. Kilgassana. il est tout seul Sagamba, pourquoi il n'a pas shooté le de main oui l'intelligence de Sagamba parce qu'en trailer, on a Prince eBay qui arrive. Ça, c'est très très bien fait. Tactiquement, c'est très bien fait. Attention, parce que ces patriotes là n'ont pas encore rendu les armes et surtout, ils ont toute la salle derrière eux. Aïe, aïe, aïe. Et un mauvaise, nouvelle, mauvaise nouvelle pour eBay. On va revoir le dunk. Voilà, regardez, il attend bien Cédar gamba. parce qu'il voit arriver Prince Principe en trailer et ça, c'est injouable. Boum, bataboum. Injouable. Chris Crawford. L'écran Majoc, il a perdu le ballon. Le ballon va être rendu au aïe, me semble-t-il. Non, ça sera l'US Monastir. Ballon pour Monastir. Avec pas de mal pour l'équipe tunisienne qui est un peu bousculée dans ce début de quatrième quart-temps. il faut, il faut, il faut. Il faut les bousculer, il faut aller les chercher. la Yanni a 3 points, il a tenté le... la petite feinte à 3 points. Attention à la possession. À 3 points. Le rebond pour Disey. Ça va mieux côté Patriote. Oui nettement mieux. C'est Darsagamba à mi-distance. Oh. Et en plus, les shoots rentrent. Eh oui, eh oui. Ils font un rallye pour revenir. Et ça. Et bah, attention, parce qu'on va, ramener les patrons aussi, un hein, côté, euh, ah côté US Monastir. C'est un jeu d'échecs entre les deux coachs. Aragji. Layani encore, on est en fin de possession. Oh, les appuis décalés. Oh là là là là là là là là là qu'est-ce que c'est ah. fort, Wahel Arakji. Wahel, Wahel, Wahel, Wahel. Arakji. Waouh, quel artiste. Kenny Gassana à 3 points. Oh, ça roule sur le cercle, c'est dommage. C'était un superbe shoot là pour Kenny Gassana. Quel toucher de balle. A à Termajoc. Oh, ah, ça c'est bien le transfert de balle à l'opposé. Crawford qui est passé, oh, qui renverse pour Aragji, la main gauche d'Aragji et ça tombe dedans encore une fois, c'est toujours lui qui leur fait du mal. <laughs> Aïe aïe aïe aïe aïe Oh ouais, c'était magicien, c'était un artiste, maintenant c'est un tueur ah. Il est monstrueux. Qu'est-ce que vous voulez faire contre 21 points en sortie de banc. Oh mon dieu. il, a, il, a, pas joué tant que ça. Eh, il a pas joué de tant que ça. S'il y a un trophée du sixième homme de la balle, c'est Wahel Aragji. Bah, écoutez, je m'en souviendrai. <laughs> Pour le trophée Lou Williams du sixième homme de l'année. Ouais, la raclée en tout cas. Incroyable match. Eh ben, on revient sur ce match après un bon retour de cette équipe des Patriots qui y avait recollé. Et cette équipe de Monastir a redémarré avec un grand Ackerich qui passe, euh, euh, qui passe des, <laughs> qui cause des moments très difficiles à la défense euh, de l'équipe des Patriotes. Euh, je pense que si euh, les Patriotes veulent faire un effort, ce joueur doit être coupé. Hein, coupé de son équipe et par conséquent il existe un système de jeu qu'on appelle la boîte, boîte 1, où on prend en, en homme à homme individuel le meneur de jeu et on l'empêche de toucher le ballon. C'est-à-dire qu'il doit avoir un joueur qui reste avec lui qu'il l'empêche de toucher le ballon, ou et chaque fois qu'il touche le ballon, qu'on le double pour qu'il fasse la passe à quelqu'un d'autre, et que ce joueur qui est sur lui, finalement, coupe euh, tout, toute possibilité pour ce gars de, de, diriger le match. Donc ce numéro 10 est exceptionnel dans ce match. C'est lui qui est en train de leur gagner le match. Nous revenons dans le direct. Dans cette partie, c'est Sagamba, la vitesse de Sagamba, Principe, c'était pas un shoot là, c'était un jeté de ça manque de touche de cailloux, ça manque de toucher. Costner, ouais, qui écarte Dizey. La patte gauche d'Endizey La photo rebond. la photo rebond. contre contre Majoc encore une fois, mais. il n'en revient pas à Majoc Duel de Big Man. C'est sa quatrième, Malik. Eh, aussi, Il n'arrêtera de faire des fautes que quand, il, quand en fait la cinquième. Hein. C'est incroyable le match qu'il est en train de réaliser, mais pas du bon côté. Regardez, regardez les jambes en défense, en attaque d'Araki. La faute de Slimane, heureusement pour Intermajox, ça aurait été la cinquième. Ouais, enfin Slimane, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle non plus. C'est sa. Non, ça va, c'est sa troisième. Il me semblait que c'était sa quatrième, c'est sa troisième seulement. Quel combat en tout cas c'est bien ça de mettre ses lancers, c'est très bien. Hector Majoc, il va falloir faire attention. Quatrième faute pour lui aussi. Le ballon roule sur le cercle et ça ne rentre pas. Où est la Raji Il temporise. Essayez d'amener le ballon dans les dix dernières secondes de la possession. Ah ben ça, attention, faut pas lui donner des espaces comme ça. Il, s'est compliqué la tâche tout seul, hein, parce qu'il avait un shoot complètement ouvert. Je suis d'accord. Brandon Costner qui attaque Slimane. Prince il y a une faute au rebond. Ah, ça, va être la cinquième. Ça va être la cinquième pour Prince Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Et ce qui n'est pas forcément une meilleure nouvelle, c'est qu'on va ramener Bouche, mais il en a quatre lui aussi. <laughs> Aïe, aïe, aïe. Cinquième faute pour Prince Kibé qui aura fait un tout petit, petit match. Seulement 5 points pour lui et 3 rebonds. Je pense qu'il a un peu trop lu l'article. Euh, <laughs> que, que, lui ont fait nos confrères d'ESPN. <laughs> Ça lui a mis une pression incroyable. En tout cas, on a rappelé Abada côté US Monastir. 5 minutes 30 à jouer. Slimane. Ben Romdan à 3 points. Très court, il prend son propre rebond, ça ressort. Slimane on va repartir sur 14 secondes de possession pour user encore la défense. Araki, qui aura été un des principaux à l'user cette défense. Mais est-ce qu'il existe quelqu'un qui eh, peut l'arrêter ce soir Il part là et il finit sous le bras du défenseur. Alors, s'il y a faute, ça va être la cinquième. Soit la quatrième de Sliman, soit la cinquième d'Ater Majoc Et je crois que c'est la cinquième d'Ater Majoc il s'est dirigé vers le banc, il a compris l'affaire. Hein. Euh, eh oui, c'est bien Ater Majoc qui commet la faute. Petit match aussi pour l'autre big man. Mais la différence entre les deux équipes, c'est qu'il y a un banc à l'US Monastir et de l'autre côté, le banc il est beaucoup plus, il est beaucoup, il est plus moyen. Parce que vous sortez à Terre Majoc, vous mettez Gayaza qui est international aussi. Voilà, c'est à peu près équivalent, sinon meilleur. Ou Firas Layani. Ou Layani, voilà. Vous avez. Euh, <laughs> un banc incroyable, une Chris Crawford sort du banc aussi. Parce que là, vous regardez, ils ont trois joueurs à 2 mètres sur le parquet. Et Sliman et ben, ben Romdan. peuvent se relayer sur l'aspect extérieur. Non, mais c'est une équipe de fou, il faut le dire. une équipe de fou. Je cherchais un mot pour le dire, mais à un moment donné, il faut être honnête. Voilà. Voilà, superbe. et il se prend pour Magic Johnson. Et c'est dommage, là, il aurait peut-être pu ressortir sur un shoot 3 points. Il n'a pas, le droit de louper un tir comme ça. Coster complètement ouvert, oh, il y avait une belle passe à faire, il aura peut-être dû shooter. Allez. Ouais, la Raggi qui va attaquer oh, Kelly Gassana. Et Omar Abadin hein, qui arrive à calmer le jeu encore une fois, que que d'expérience. C'est vraiment un superbe joueur. Ils ont euh, Quatre joueurs sur une extérieure de très très grande qualité. L'hésitation oh. Oh, Il l'a complètement roulé, c'est la cinquième de bouche. Eh oui, le easy, hesitation step. L'Omar Abada, la les problèmes. et puis je réaccélère. Stop and go. Et ça va être un nouveau tournant dans cette partie. Les, la... La mauvaise nouvelle, c'est que eBay est sorti et Bush est sorti aussi. Eh et, nous, on sort en commercial break. Bien vu. Eh ben, à la fin de, presque à la fin de cette, euh, ce dernier carton et disons de ce match-là, on voit une équipe euh, de Monastir euh, qui confirme tout le bien de, de ce qu'on pensait d'eux. On n'aurait pas pensé que, en voyant ce match-là, que il puisse avoir une telle différence, mais c'était tellement fragant. On avait euh, des joueurs de grande taille qui jouaient contre des joueurs beaucoup plus mobiles, ce qui a permis à, à Monastir d'asseoir son jeu et d'imposer son style de basketball avec un basket euh, euh, où il crée une, une possibilité avec un écran qui cause des décalages et des pénétrations si vous ne venez pas aider et qui se terminent ou par des lay-ups, donc des paniers à trois, euh, du moins des paniers en course, ou alors par des tirs à mi-distance ou encore des trois points. Et ils n'ont pas pu résoudre ce problème-là jusqu'à maintenant. C'est pour cela qu'ils boivent de l'eau et ils ne sont pas prêts. Bon, maintenant que les deux joueurs intérieurs ont eu cinq fautes, nous allons voir ce que le coach va faire euh, il aurait été préférable euh, dès le départ de pouvoir euh, justement faire en sorte que les joueurs puissent jouer en fonction de leur position, de leur mobilité, et ça aurait permis à cette équipe de de patriotes de compétir à un niveau beaucoup plus élevé. Donc il reste, je pense, quelques minutes de jeu. On repart au direct lancé franc pour cette équipe de Monastir. Mais lancé franc, il va pas loin, arrête plus que fort là. Il va falloir être incroyable côté Patriote pour l'emporter. Ah Et c'est là qu'on a besoin du public aussi, mais euh, le public est plus euh, spectateur que supporter. on voit, bouge pas mon cotard. Ah Déçu. Deux, trois zones euh, de la part des Tunisiens. On disait, il y a trois points et ça pas de gauche. Oh là là, il envoie une brique, c'est dommage là. C'est... Il faut poser des systèmes, retrouver du, dans le jeu. Il n'était pas loin d'envoyer une baseball passe là, Ben Romnan, qui s'est ravisé au dernier moment. Meilleur marqueur du match en sortie de banc, hein, ouais, la 23 points pour lui, Abada, il a changé de main en l'air. Il fait n'importe quoi. il attaque Sliman il défend oh, très, bien. Ça, c'est le métier. Hein. La défense de Radwan Sliman, ça, c'est l'expérience. 40 ans, comme on dit chez moi, c'est pas 40 Il est en train de s'enflammer là. où la il a tenté une passe à la, Magic Johnson. Et derrière, ça coûte deux points à son équipe. Il avait fait une Summer League avec les Mavs de, Dallas. Ouais, ça, vous, vous place un joueur hein. pas pour rien pas mal non plus, le flotteur. Finalement, c'est Jean-Jacques le plus petit sur le parquet qui récupère le rebond. Ça fait deux stops pour les Patriotes. s'ils nous ont cette fin de match. 3 minutes à jouer, toujours 11 points d'écart. Kenny Gassana qui va aller chercher une faute. Alors qu'on rappelle, hein, on disait en tout début de match, il faut le rappeler, c'est une finale pour le groupe A. Le vainqueur de ce match sera premier le perdant Malik sera. sera deuxième. Bien joué. Gayaza là qui retourne sur le banc. Petit, petit match de la part de l'international tunisien. Et a priori, il y a deux lancers francs pour les Patriotes. Ils, viennent de rentrer dans la pénalité maintenant. Non, non, non, ils y étaient déjà. Là, c'est la cinquième, donc elle est, elle est attirée. Très solide encore une fois. Euh, on n'en doutait pas de toute façon. Est-ce qu'ils ont les ressources pour renverser le match Ces Patriots, réponse dans un peu moins de 3 minutes. Chris Crawford, il y va tout seul. Et le shoot ne va pas rentrer, ça va peut-être permettre aux Patriots de revenir encore un peu plus pourquoi pas. Kenny Gassana. Oh, il est très très mal embarqué, il va perdre le ballon. Il perd le ballon, c'est un peu il est frustré, Mais on avait parlé du banc, Étienne, et on y est, on y est. Il suffit de regarder les stats, vous voyez que le banc a complètement abandonné son leader, Kenny Gassana. 50 points du banc pour lui l'US Manchester, voilà parler de 42-43 euh, de moyenne, ils l'ont ont dépassé. Et notamment grâce à cet homme qui est absolument partout. moi je n'ai plus de superlatif. Hein. Je n'ai plus de superlatif pour Arakji. C'est pas euh. possible. <laughs> Il est incroyable ce joueur. Waouh. Regardez, il va chercher le plafond de la Kigali Arena sur ce Léop. Quel joueur. le petit smile. tout ça avec le sourire. Voilà, il sourit, tranquille. 25 points, 4 bons. Mais aucune passe. pour un meneur. Non, non, mais il est surtout bon dans les avant-dernières passes, celles qui permettent aussi de marcher, de décaler euh, un shooter. La situation se complique très clairement pour ces Patriotes vous le disiez en, début de, retransmission, c'était aussi un test pour les Patriots pour un peu jauger. On savait que l'US Monastir était favori dans ce groupe et aussi dans cette Basketball Africa peut-être. Ça nous permettait d'en savoir plus un peu sur les Patriots. Après euh, quasiment... Euh, voilà, le match est quasiment terminé, 12 points d'écart. Bon, j'ai l'impression que c'est peut-être l'écart qu'il y a entre les deux équipes il va réussir à récupérer le ballon, c'est incroyable. Il est malin. Incroyable Ben Romdan. On l'a pas surnommé le gladiateur pour rien, macram Ben Romdan. Il est malin. Bon courage à, à l'équipe qui affrontera les l'US Monastir en quart et en demi et en finale peut-être. Oh, ça va être alléchant ces playoffs. Et encore une fois, Chris Crawford, encore un joueur du banc qui ajoute des points. Et ça, c'est le tir en suspension par excellence. Hein. Vous regardez le hang time, c'est incroyable. Omar Abada, Mourad El Mabrouk sont les titulaires, mais Araki et Crawford sont les remplaçants. Quel talent. Pas mal cette phase de Cosner Et le compte de Ben Ramdan. Ah. Ils ne lâcheront rien dans ce match du S Monastir. Jean-Jacques finalement à mi-distance et c'est ben Ramdan qui récupère la bonne passe pour Arakji Slimane à trois points, il va ah. attendre bien sûr, l'expérience. Abada qui renverse, l'extra passe, non, la fin de passe. Et c'est le point d'exclamation de Chris Crawford. Le match est terminé. Ça, c'est le coup de poignard. Ça, c'est le coup de poignard. Chris Crawford. Et il attendait, il attendait ce tir. Il était, comme on dit aux États-Unis, And ready. Kenny les crossovers de Kenny Avec un well à Raggi sur le dos. ça sera peut-être plus facile avec Slimane sur le dos. Non, finalement, il y aura une faute au rebond. Sur la claquette de Dieudonné Mizé, qui se sera battu pour essayer d'aider un peu son leader, Kenny Gassana. Ils auront eu un petit peu à l'usure quand même. Ils auront provoqué tellement de fautes cette équipe de Monastir. C'est ce que fait un rouleau compresseur, vous savez. Et vraiment, les Patriots n'auront jamais su répondre à l'intérieur. On n'a jamais vu Principe, on n'a jamais vu Bush. Et, même sur les extérieurs, hein, Agumin il est passé. Euh, Seulement voilà. 3 points aujourd'hui. Euh, euh, Costner, pareil. Donc c'est difficile. C'est difficile quand c'est comme ça. Mais c'est une équipe qui est en progrès. Slimane a 3 points, très court. Le rebond pour Dieudonné Ndizey qui a envie de shooter finalement la fin de la bonne passe à l'intérieur. Ah, voilà. Ça c'était vraiment une très bien vu, hein. très bien senti par Gassala qui sera vraiment vraiment L'homme a surveillé hein, aussi dans, ce, dans cette prochaine semaine. Très bonne lecture du jeu en tout cas. Bon, essayer de grignoter, de grignoter l'horloge. Et surtout, il va faire monter ses stades. Ouais, Laraki, 28 points pour lui. Oh <laughs> Incontestablement le MVP de cette rencontre. Yala, yala, yala, Rakji et on va en rester là, Malik, sur cette performance immense, encore une fois, de l'US Monastir. Cette équipe a-t-elle des points faibles on ne le sait pas encore. Personne dans ce groupe A n'a pu poser durablement des problèmes à cette équipe. Après avoir largement battu GNBC, après avoir largement battu les River Soupers, ils, parlent, ils battent maintenant les Patriots de 16 points, Malik, de 16 points. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. C'est une équipe qui a des certitudes, qui se repose sur ces certitudes-là. Et c'est quoi la plus grande de leurs certitudes C'est leur circulation de balles. Et une équipe qui est capable de vous amener jusqu'à 20 secondes de défense sur 40 minutes de jeu, ça finit par vous épuiser. Et on l'a vu, Bush a fait 5 fautes, IB a fait 5 eh fautes. Eh ben, Sedina, euh, l'US Monastir euh, confirme tout le bien qu'on pensait d'elle. Euh, en dépit de commencer à débuter cette euh, première mi-temps où on voyait un score euh, serré 46 à 44, on pensait que les Patriotes euh, basketball club allait euh, jouer un autre genre de basketball pour pouvoir euh, compétir tous les quatre cartons. Mais finalement, la vérité, c'est que le Monastir est un cran au-dessus. On avait une équipe avec un banc extraordinaire. ça a été une soirée un peu un clinique de basketball et un manque de réaction du côté du coaching des Patriots Basketball Club. Oui, je pense que euh, tu as très bien résumé cette rencontre-là. C'est une équipe, euh, comme on l'a dit, et comme on le dit d'ailleurs depuis le début de ce tournoi de l'Union sportive monastérienne, qui montre une maîtrise parfaite dans tous les compartiments du jeu. Dans cette première mi-temps, on a vu que les Patriotes ont fait une belle résistance, et jusqu'à la fin d'ailleurs, parce que malgré le score, on a vu que euh, l'entraîneur de l'Union sportive de Monastir n'a pas pu se permettre le luxe de sortir ses titulaires euh, on a vu qu'ils ont jusqu'à la fin, y compris le capitaine Fulman, parce que euh, justement, jusque dans les derniers instants du match, cette équipe des Patriotes était aux alentours de 10 points. C'est dans les derniers euh, instants qu'ils ont carrément perdu le fil de ce match-là, mais cela est dû à la maîtrise comme on le dit depuis le début de cette équipe de Monastir et surtout à l'apport de son banc, 60 points Eugène. Incroyable. Incroyable. En fait, ils n'ont jamais trouvé euh, euh, euh, de solution pour arrêter Wahel Arakji. Et, je ne comprends pas. Bon, j'avais expliqué tout à l'heure le, le match-up, c'est-à-dire que le jeu des Patriotes ne pouvait pas... Chaque match est différent au basketball. Quand on rencontre un adversaire, on doit adapter son équipe en fonction de l'adversaire contre lequel on joue. Les Patriotes, leur style de jeu, ils ont deux joueurs classiques big men qui font jouer à l'intérieur et trois joueurs de champ. Mais dans ce match-là, ça n'avait pas son sens parce que justement cette équipe de, Monastir n'a aucun big man. Tous les joueurs sont des ailiers. C'est juste qu'ils ont des ailiers à deux mètres ils ont des power forward et donc ces joueurs sont beaucoup plus mobiles et, donc les Patriots à aucun moment ne pouvaient pouvoir face à, à, cette façon de jouer au basket. Et même à un moment donné, même en diminuant la taille, euh, le coach aurait dû tenter le tout pour le tout. Akaric faisait ce qu'il voulait, il aurait pu faire la boîte 1, c'est-à-dire on prend un joueur, son travail c'est de jouer avec le meneur qui dérange, euh, l'empêcher d'avoir le ballon et donc faire en sorte que euh, Wahel Araki, puisse toucher le ballon, serait handicapé à ce moment-là leur système offensif et jouer la défense avec les autres. Donc c'est comme une boîte euh, qu'on fait sur un